On se rappelle comme si c'était hier les élections qui sont déroulées au Niger en décembre 2020 et février 2021. Plus de 7 millions de Nigériens étaient inscrits sur le fichier électoral, majoritairement des jeunes, pour élire leurs représentants communaux et régionaux. To, a D'ailleurs, le 26 avril, le Premier ministre Oumoudou Mamadou a présidé la cérémonie officielle d'installation des nouveaux élus locaux et municipaux à Niamey. macha mashawartan kanana hukumaman, da wakilan al'umma har sun kama aiki. c'est le député Omar Moumouni Dogari du parti Lumana qui est élu maire du conseil de ville le 28 avril 2021. Top, amaya yaya neza duka abin da ya shahi rayuwa da matsalolin da iya mata ke fuskanta quelle sera l'implication des jeunes filles dans la gestion de leur commune za a ba su dama su yi aiki cikin wannan tahiyar da'irorin nasu ko ko yaya ne la fada est bien calée a nan place montaigne en face du commissariat central Namu muka ɗora wannan fada tamu za mu tattauna da matasa qui ont manifesté leur envie d'être impliqués musique. Rubrique chronique seront également au menu de cette émission de Salafada. À cette fada, nous sommes euh, avec Amina Toussaidou. Elle est la présidente de Progress Progrès Peul. Ça va, Amina Tu vas bien Bonsoir. Ta structure, c'est une jeune structure qui œuvre dans Notre audience, c'est les jeunes. Et on, met en œuvre dans trois domaines, la santé, l'éducation et l'environnement. On essaie vraiment d'engager les jeunes, de leur faire participer et aussi de partager des savoirs dans tous ces trois domaines-là. Super soir, la bienvenue sur Tous à la Fada. Nous sommes avec notre ami Mossi, notre ami de tout le temps. Ah ça va, oui. De la JDP. oui, Association de jeunes diplomates et politologues. Ça va Ça va bien. Pour le moment, là, tu es le seul garçon de la Fada. Ah ça te dit quelque chose, le ah là C'est un avantage, je crois. <laughs> ça serait bien d'avoir ton avis. Nous sommes avec Halima Doufay. Elle est membre du Conseil national de la jeunesse, CNJ. Ça va Ça va, bonsoir. On a notre jolie musique qui représente le CNJ. PNJ aujourd'hui to kun ji dai eh, zancen da za mu tattauna basa kan shi ku bi mu sau da ƙawa mu na fada Ce sont 52 communes urbaines et 213 communes rurales qui sont gérées par les hommes et les femmes choisies lors des élections du 13 décembre dernier. To, cikin wannan aikin da za su yi, muna fata dai ba samance da mata, ba musamman ma mata. Yanzu je direct da ke son kina tawari. Le quatrième arrondissement de Niamey est aujourd'hui dirigé par une maire, en la personne de Madame Fouta Mariama. Alors, quel bilan faites-vous de la participation des jeunes filles dans le processus euh, de gestion des mairies comment tu vois la participation et la place qu'a occupé les, jeunes femmes, les jeunes filles notamment, dans tout ce processus et dans les communautés merci. Pour ces élections passées, il y, avait eu une participation très active des jeunes. Et on peut noter aussi la participation des jeunes femmes parce qu'elles ont vraiment candidaté. Et c'est vraiment un pas en avant pour la jeunesse nigérienne. Il n'y avait pas que les hommes, il y avait des jeunes femmes qui voulaient être des élus locaux et il y en a qui ont pu être des élus locaux. C'est déjà vraiment un pas en avant pour nous. Donc, on peut dire que dans la gestion de nos communautés, à présent, nous, jeunes femmes, on a nos mots à dire. Ok. Merci. C'est appréciable, moi aussi. Euh, matasa suka samu cikin wannan cikin tahiyar aikin da'irorin nasu a ganin ka sai appreciable ko da kin gidai eh ina ga abun yana da kyau ina so in kara saman kan abun da Halima ta ce hmm. eh je pense que comment yo plus inga da mata suka samu saman kan tahiyar ƙasa yana da mahimmanci kwarai saboda ba taɓa ganin zaɓe ba inda aka yi zaɓe aga mata sun ba da ƙari kwarai sun kawo gudunmuwarsu su ma mm, cikin tahiyar ga kamar ga tahiyar tun da aka har mm. abin demokradiyya cikin niger mm-hmm, ba mm-hmm. taɓa gani ba kamar bana kamar zaɓe wanda suka wuce eh, eh. Eh, yau in kun diba kuma ba wai mata niger sun wuce inda ake cewa kamar amus faber a ba su ko wani kota ko wani abu haka yanzu su da kansu ne ke amso kansu ouais, elles attaquent le terrain, elles sont sur le terrain. Elles sont mobilisées suna cikin kowace tahiya ka zo yanzu kaga mata duk inda suke tana ma su mata yawa kamar cikin fara da muke yau in gani kai namiji ga ku duka mata ne yau abin ne wanda yana da muhimmanci kwarai tunda cikin siyasa Niger ma gaba ɗaya yankin diba yau mata sun shiga kwarai non salman wajen wajen suna ciki kuma yanzu da aka ma kawa ƙungiyoyin yanzu ma diba kowace kungiya babu inda babu mata kenan yanzu ina ga ci gaba ne cikin tahiyar kasar mu abin da kamata mu diba shine dai mu yi ankurajen mata kuma mu gwada musu hanya ta kwarai in ba su yi ba daidai mu ci musu a gyara kenan shine zan yi kwatanta kamar cikin tahiyar ta mata eh, plus où mata suke da cikin Moi ya ce as encourageant ku eh c'est sympa ce qu'il dit. On est content aussi que tu. <laughs> Mais voilà, il est avec nous et il veut vraiment qu'on encourage les jeunes femmes, les jeunes filles à s'engager aux côtés de leur communauté, à s'engager et à travailler pour leur communauté. À cette fois-là, on attend encore des invités qui vont nous prendre en cours, mais il y a une qui vient juste d'arriver du CCNEJ. Ça va, tu vas bien Le nom, c'est Je suis Mamouda Maïssa Ishotou. Tu es du CCNJ, rappelle à nos auditeurs, c'est... Le CCNEJ c'est le cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes. C'est un cadre apolitique, non confessionnel et à but non lucratif. Nous œuvrons pour les droits des enfants, contre les violences faites aux jeunes filles particulièrement. Ok, super, les jeunes filles sont à l'honneur justement sur cette fada. Ben Aïchatou, aujourd'hui on est en train de parler de comment vous allez travailler aux côtés de vos communautés. Maintenant, les nouveaux élus locaux sont là on a nos maires partout dans les communes, on a les conseillers. Est-ce que vous serez impliqués dans la gestion des communes Est-ce que vos préoccupations seront prises en compte hirarshi muke nan ga yau a zan mu ci gaba da wannan hira tamu yanzu zan zo wajen ki Amina Saidu president kin Ardoyeso Amina souvent les jeunes euh, suna kuka da rashin wuri ba a ba su wuri ba ba a ba su aiki ba su ga da abin da su ma sur quoi ils sont capables to yanzu kina est-ce que parmi les jeunes femmes de qui comment les communes, les conseillères, on a une mère aujourd'hui à la commune 4. Tu vois que ça va, le quota il est respecté là ou ça reste encore Moi je dis toujours que ça reste encore. Hein. Il ne faut pas qu'on se dise que ah voilà on a une femme qui est mère donc euh, le progrès des femmes ça se voit à 100%. Non, mais il y a combien d'hommes qui sont mères comparés à la femme C'est ça qu'on doit voir aussi. pas seulement à Niamey, mais dans la sous-région aussi. Il y a combien d'hommes qui sont mères Pourquoi on n'a pas beaucoup de femmes mères Est-ce que c'est parce que les femmes ne sont pas assez supportées côté financier euh, Parce que quand tu veux faire ta campagne aussi, il te faut de l'argent. Il te faut mobiliser les gens. Il faut bien que ton mari, par exemple, te supporte. Il faut bien que ta famille te supporte. Il faut bien que tes enfants te supportent aussi. Voilà, il faut que tu aies du temps. Tu vois, parce que la femme, elle a des tâches ménagères, les responsabilités de la famille. Si tu penses que tu n'auras pas le temps, est-ce que tu peux vraiment euh, être devenir mère ou députée ou quelque chose comme ça Donc, on doit vraiment donner de l'espace et aussi soutenir la femme. Et on ne doit pas se dire que, ouais, on a une femme mère, donc mm. voilà quoi. Ouh on a, c'est le progrès, il est assuré. Certes, c'est un progrès qu'on ne doit pas oublier, mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Ouais, ça reste vraiment à, faire. Inagane Amina, c'est mort, hein, le Hausa, mort, mort de chez mort. Totalement mort, hein. Oh my god. Tu n'es même pas né, hein. <laughs> oh my god, Dieu aide-moi aujourd'hui. <laughs> ah, Dieu aide-moi aujourd'hui. Quand je pense qu'on attend beaucoup de Hausa sur cette émission. Eh, quand je dirais que muke nan gai tare da wa'annan matasan namu yanzu a ganin ku zan zo wajen ki euh, sayan Oji e Aishatu a ganin ki wani irin matsaloli ne ya kamata a ce an sa ido a kansu an ba da karhi wajen aiki bisa kansu quelles sont vraiment les préoccupations des jeunes filles dans les communes sur lesquelles on devrait vraiment mettre l'accent, à ton avis Voilà, dans les communes, les problèmes sur lesquels on doit vraiment mettre l'accent, c'est surtout contre les violences. Ok. Les violences dans les milieux scolaires, les violences à la maison et aussi contre le mariage des enfants. On doit mettre l'accent surtout ouais. pour lutter contre le mariage des enfants. Parce que si nous prenons, le mariage des enfants, c'est c'est ça qui est vraiment à la base de tous les mots qui, qui est en train de gangréner la société. Prenons par exemple eh, la mendicité. La mendicité, si nous prenons la mendicité, c'est un fruit du mariage des enfants. Un enfant qui est donné en mariage, la petite fille, on te donne en mariage, tu es là. Qu'est-ce que tu as reçu comme éducation pour pouvoir transmettre à tes enfants Ça ne se fait pas. Tu vas juste procréer et laisser la rue éduquer tes enfants. Ça, on a la mendicité, on a la fistule. Ok. Il y a la fistule obstétricale, il y a la déscolarisation. Tout mm. cela, c'est dû au mariage des enfants, c'est les fruits du mariage des enfants. To kenan ke kina ganin kaman arman da ake ma ya mata kankana su ne ma suke kawo duka matsalolin da ake gani cikin kaman al'umma wani eh, bara yara suna nan suna yawo kan titi da wani 'yan sace-sace da suke da rashin zuwa école. Même la pauvreté parce que quand on donne une petite fille en mariage, le fait qu'elle soit fistuleuse, maintenant on va amuser beaucoup d'argent, beaucoup de fonds sur elle pour pouvoir faire les opérations et lui laisser. Maintenant, l'argent là qu'on va amuser sur, sur elle, si on essaye de mettre ça dans d'autres choses, ça aurait pu avancer le pays. za mu samu ci gaba bisa kan harkan duka wani wasu matsalolin da suka shahi matasa zan dawo wajen ki halima kin sha abin da aishatu ta ce ke kin gani wasu matsalolin da ya kamata a ce an ƙara diba su koko ya ne ya kamata a ce wa'ina matsalolin da ta yi ya ne ya kamata a ce an yi aiki a kansu kuma vu en tant que structure de jeune on peut collaborer avec vous pour changer les choses eh, la collaboration qu'il peut y avoir avec nous les organisations de jeunesse, c'est surtout prévoir des activités de sensibilisation, par exemple sur le maintien de la jeune fille à l'école. Parce que une femme, plus tu as un certain niveau d'études, plus tu es moins confrontée à ces mariages précoces. Parce que tu as la capacité et tu raisonnes en termes d'avenir. Tu mhm. te vois devenir quelque chose demain. Donc, même tes parents auront du mal à t'imposer certaines choses. Tu sauras défendre tes droits toi-même parce que tu peux leur dire vraiment je ne suis pas prête pour le mariage, j'ai envie de, de, continuer mes études. C'est vraiment important. C'est vraiment de la jeune fille, la maintenir à l'école et ça peut vraiment favoriser aussi son implication dans la gestion de sa collectivité. C'est-à-dire, quand tu as un certain niveau, tu aspires à être un leader dans ta communauté. De là, tu peux être prête pour candidater. Tu peux être prête pour te tenir devant un auditoire, défendre vraiment les intérêts de la jeune femme. Mais s'il n'y a pas cette éducation, c'est vraiment difficile. kenan da inda babu ilimi inda babu karatu wannan na ɗiya mata ya ne za su yi har su zo su ce za su taimaka ma al'ummar su in aka ba su dama su karatu za su samu su taimaka ma al'ummar su su yi aiki don wannan al'umma ita ma ta ci gaba kenan za su kawo gudun wasu cikin tahiyar kasar su ma yanzu masu shuraren mu kun shirya hira tare da muke da wa'annan ƙungiyoyin na matasa muna zance bisa kan yaya ne za a yi ya ne za su aiki don a ce duka abin da ya shahidiya mata dai an yi la'akari da shi cikin tahiyar wannan da'irorin nasu yanzu mu ji cikin rubrikin dondi da wani artist ya hira et on se retrouve juste après cette fada spéciale jeune fille Merci d'être scotché un peu partout à travers nos 46 radios partenaires dans les quatre coins du Niger, mesdames et messieurs. Vous êtes aussi certainement scotché à travers le site du studio Kalangou. Nous sommes samedi. Ladies and gentlemen, nous allons recevoir la troupe théâtrale Bonferré sur l'artiste s'exprime. Ladies and gentlemen. is okay. Yeah, Mr. Man, God bless Africa. Yeah, yeah. And yeah. God bless Studio Kalangu. Confirm, confirm. Oh, Sometimes it's very cold, but mm. now I'm hearing that it's very hot, but here it's very cold. Mm. I go farm on local Zangadei Salo, ah, Adiyai Gumu. Yeah. Oh. Um. ŋmenaagu ame famanda se chinua chinra tchau chingão yinhao estudio halangu artista se exprime com xingão 后洗澡吧，小男人有钱儿，咱修来了。Adi ngani ya ni ya ni dan gaitayi pas kai ne an gele no ni ga mani bote shi A'a, ai kowace ya iya rubutu ba shi takarda. Kowace ya iya rubutu ba shi takarda. asidaguwani hada suwani botogoya Oh. An zubar. amantaba izu futu ai chora hay go ga si. nin nerg sintinda nin noka mhm. nin ni ga hau e koy beri parlons de toi may kati nin hay wala oh to nin ga ayo gati yunusa musa kimba tayu oh e me mo kunir gnu logu e koy beri to iwo <laughs> jir fonin hay ay iminay mm. e hay kala shine le 17 11 17 11 1997 17 11 17 bana sefa oh to kolbe hal yanno kango ganda ka tanga ta manga uh, ino nyama irao to kai kaka mhm. my friend Yeah. How are you? What's up? I'm fine, cool. And well, you? Welcome uh, the studio, Kalanko. Thank you to meet you. What's your name, Manegi? So the first name, uh, my name is uh, Al Mukhtar Your name is Al Mukhtar Salif Yeah, yeah, yeah, yeah. Tu es né en quelle année? I was born. Yes. I was born in 197, non, 1992. 1992. in this country i was born in every cost every cost yeah what, what is your every cost so my father is a businessman. Cause what means where it Cote d'Ivoire. Ah, c'est ça Where yeah, Cote d'Ivoire. I don't understand where it cost. Yeah. You are a taboo season. <laughs> we have we have everybody. We have a taboo season yeah, in this yeah, émission. Yeah. Alors, matkinano arne cher kubaida. Ifuno kandara komedi batora. Oh. Gahambani. Aba how aba abari. Oh. Yeah. to de da halin gasintin <laughs> ni faham oh. an foyar gono da ni réalisateur fogo lama ni gina sai ni realizateur o lama ni gina sai oh. niger 24 oh uh-huh. ai su ga mc shiga ga dai kano de ni ya na yi guna ne ni wo ni gi man da dole ko ayi na se to guna oh. ai wai te yan ayo man bai ga mila ma do an dunya an bonu man bai ga mila ga mila man bai ga mila ayi ah. ne harmono kan okay ai gai bollan ga kwani ai namu nan dai ai mai mudun soliya di na MC tara wodi na goga te ni fa maske za bo fu do ni ne wai bogai ma no ai bine b'a ni ni wa raisi mm. ai na se to so ya dinga ke ci soli so ane to so nguna to no go ni kan yel gafe ane won ta za zano din ga han ba ni chang kon so kon <laughs> ni chang so kon ga chang fizak parce ah. que nga babu oh. me yin da kyaru sokon sokon ga hagai ni bai ta me ne sokon sokon din giban oh. nan ga ah? ko sokon sokon kaman sokon sokon ga ni ka to ka ce sokon tame tame an yi tame it tamiz tamiz you know you know you know what is tamiz you oh. want to tamiz in in mutane to in in parce que <laughs> wa onga mo ana ana chuta o ce ga ka no din dai no ga hawo da kare ga hamba da ga mu ga igu gati gahaw mara oh. no mati na to dangane. kin ga amini ya ne kun ka ga zuna. eh gaskiya haduwar mu ta yi kyau eh haduwar mu ta yi kyau saboda gaskiya ina tunanin babu mutanen da suka kware wajen yin aiki lokaci guda mhm. kamar mu dai trip theatral ban fere ba na saboda muna lokacin mu ba ma cin na wani gaskiya ne ce sarki goma zamani goma wata focina mara sintin zama farma haya wara ni ga. you eh oui dondi mhm. duk wana o da yan mana sintin kana and 2017 2017 oh 2017 voire 18 ida ngunu aran sintin o oh, ala daga dis boray faham matkan mhm. cinano aran goda wato to aran sintin gil foni na aran hay oh message mhm. muchesso l'instant est tout simplement solennel sakon da zan gabatar da shi shine mhm. eh, a gaskiya wannan aiki mun rike shi da muhimmanci saboda mutane da yawa suna kallon shi da muhimmanci mhm. kenan ya kamata mu yi abin da mutane za su ji daɗi. Mesdames et messieurs, je vous assure qu'ils sont pétris de talent ces artistes. Ils sont à soutenir. On se prend donc très très prochainement sur l'émission Tous à la Fara, c'est-à-dire demain. C'était le premier angle présenté par la Miss Rimi. Madame Fada, yo, gata na mun dora ta anan face seria centrale à la place Montey. Tarada Amina qui est un Ardeyeso Progrès, Halima Durfay, membre du Conseil national de la jeunesse, et ça comme aussi de l'AGDP, l'Association des jeunes diplomates et politologues, Mahamadou Hama Issa Aïchatou du CCNEJ, les droits des enfants, de la jeune fille. Aujourd'hui, il est question de la prise en compte, de l'implication de la jeune fille dans la bonne marche, dans la vie de sa commune, comment ces jeunes filles vont travailler aux côtés de leur communauté pour servir leur communauté. On en parle aujourd'hui en face euh, du commissariat central à la place Montey. Zan ci da wannan hiratawa da wannan A Mosi Aujourd'hui, le seul euh, <laughs> mec parmi nous. <laughs> comment tu vois Aïkensou Il y a kaga chose qui taimaka al'ummar su? Euh, abin zancewa saman kan shi dabo Sake akwai abu guda ta kamata su sa cikin kansu kamar su guri sauki su kama abin kwarai fasku in aka ce kamar saboda kina mace da abin da kika yi ko ba daidai ba ne a kyale ki kawai a ce bon mace dai ce kawai bon a yi hankuri a yi ta hankuri mm. bai bai kai kasa ko ina kenan mata ma da ake son mata cikin aiki ana son mata wanda suka san ciwon kasa na ɗaya ana son mata wanda kuma suka iya aiki Mm-hmm, mm-hmm. wanda suka iya aiki mm. na biyu ana son mata kuma wanda suka san ciwon kansu kenan yau wannan hujjoji guda uku da na bada sun ta kamata a ce kowace mace ta sa cikin kanta ni ina cikin wanda nake so a ga yau a ce eh vraiment mata sun samu eh, wani matsayi dai wanda dai na a zo a gani cikin ƙasa an ga abin da mata suka yi tun yakin duniya an gani ai gudunmawarsu cikin yakin duniya lokacin da maza ke taya suna yaƙi su kenan suna kiran kamar makamman yaƙi abu ne sama aka ba su duka wani inci kenan yau tunda sun samu incin nan aikin su ne sa suka samu incin nan ba wai tausayin su ne a gani ko kuma kado bane aka ba su nan a'a mm. aikin su ne kwato makan su ne suka incin nan kenan su san ne za su kuma su rike shi da kyau rike shi da kyau kuma shine aiki mai kyau kenan su tsaya su yi aiki da mai kyau wanda ko baka so a ce mace ce saboda aikin ta dole kayan udin shi on peut compter sur les jeunes filles les jeunes femmes les femmes nigériennes pour faire avancer ce pays moi aussi quand même <laughs> Amina qui a gagné comment les jeunes filles peuvent contribuer dans la bonne marche de leur communauté qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans la gestion de leur commune. Je pense qu'elles doivent déjà commencer par s'éduquer sur ce qu'elles peuvent faire. Parce que comment est-ce que tu peux écrire un projet, euh, si tu sais vraiment pas comment t'y prendre quoi. Tu es là, tu veux parler euh, à ton mère, mais tu sais vraiment pas comment t'y prendre. Tu sais même pas où ça se trouve en fait. Donc on doit vraiment commencer par s'éduquer sur ce qu'on peut faire, quelles sont les opportunités qui sont là. Et aussi maintenant il y a beaucoup de surtout, il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de, de groupes de femmes qui sont dans chaque quartier, dans chaque commune, tu vois. Donc on doit vraiment travailler main dans la main venir ensemble discuter et voir quels sont nos problèmes, quoi. Tu vois, mhm. qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Maintenant, c'est au leader aussi de demander aux gens quels sont vos problèmes, comment est-ce que je peux vous aider, comment est-ce que je peux vous soutenir. Le leader ne doit pas juste être dans son bureau et attendre qu'on lui amène, qu'on nous amène des dossiers, des projets. et des projets. Voilà, su structure kinsu da gani mine ne voilà si on peut avoir des réunions mensuelles quoi avec le maire ou euh, juste parler de nos problèmes de femmes et aussi d'autres problèmes parce qu'il y a des problèmes qui affectent les femmes mais des fois ça affecte la communauté entière tu vois <laughs> l'espoir de la communauté tu vois un homme aussi <laughs> voilà yanzu comme sur cette émission la musique elle compte vraiment vraiment beaucoup sur la Fada. On va écouter Mata de Soga. Cette chanson, elle parle vraiment à la jeune femme, à la jeune fille. On se sent. C'est un feu d'artifice au fait quand on l'entend. Donc on va rendre hommage à toutes les jeunes filles, à toutes les jeunes femmes, à toutes les femmes et tout ce qu'elles apportent à leur communauté avec Mata de Soga. Et on se retrouve juste après sur tout ça la fada. de Soga, c'était un clin d'œil, c'était un big up à toute la jeune féminine nigérienne, à toutes les femmes du monde, toutes celles qui nous écoutent. La Fada vous envoie ses good vibes. Mais ben voilà, muna na Hirayo. hira yau ya kan yaya ne wa'annan ɗiya matan za a aiki da su don tahiyar su. cikin ayyukan da wa'annan sabon wakilan nasu suka zo da suka zo suka fara yani ake iya dama da su wata rata suke iya takawa wannan fadar muna tare da Amina Saidu president kin RDS nous sommes avec Halima durfai elle, elle est du CNJ de la JDP Hama Isa Aishatu du CCNEJ tambaya ta ta karshe zuwa gare ku Halima in zo wajenki Selon toi, quels sont les défis que les jeunes filles doivent relever pour ces cinq prochaines années. Les défis sont énormes. Il s'agit surtout de la formation. Les jeunes filles doivent avoir une bonne formation leur permettant de s'intégrer vraiment à tous les niveaux. Oui, hmm. c'est le plus grand défi. Maintenant, il faudra aussi l'inclusion. Il faudra que la communauté prenne en compte les jeunes femmes. Il y a aussi la participation la jeune femme et la femme en général a toujours été utilisée comme euh, lors des campagnes comme euh, comme pour la propagande c'est la femme qui est bonne pour intégrer les ménages c'est la femme qui est bonne pour réunir le monde c'est la femme qui est bonne mais pour diriger bah maintenant c'est les hommes là qu'elle a soutenu qui viendront être son ennemi l'écraser carrément pour ne pas qu'elle réussisse donc c'est un vrai défi à relever. Il faut qu'on se mette dans la tête qu'on peut et qu'on doit le faire. Qu'on doit le faire, tôt. faɗin da kika yi ke ya kamata ce iya mata sun sa cikin kansu ke bai kamata ba a ce suna koma baya ya kamata a ce suna sa kansu cikin wannan al'amura da harkoki da aiki da inda suka gani ana wani abu akwai abin da suke iya kawowa kawai a sa kai ka a koma baya zan dawo wajen ki aishatu tant que jeune fille qu'est-ce que tu vois que tu peux apporter à ta communauté Qu'est-ce que tu as envie d'apporter à ta communauté avant de répondre à cette question, hmm. j'aimerais répondre à la question précédente. L'apport des jeunes filles hmm. et pour la bonne marche de la communauté. Ok. Uh-huh. Voilà, l'apport des jeunes filles pour la bonne marche de la communauté. Qu'est-ce que les hmm. jeunes filles peuvent apporter pour la bonne marche de la communauté Je me dis qu'elles doivent se placer au même pied d'égalité que les hommes. Tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Hmm. Un exemple palpable lors des examens. Je prends un exemple tout banal. Lors des examens, on est, quand on distribue les épreuves, on ne dit pas ça c'est les épreuves pour les hommes ou bien pour les femmes. C'est parce que nous <laughs> sommes voilà. au pied d'égalité, on peut faire tout ensemble. Tout ce que l'homme peut faire pour faire avancer le pays, la femme aussi peut le faire. On ne doit pas se mettre dans la tête qu'on est toujours en second rang. Le but, c'est d'avancer. Allons ensemble et plus loin. Plus loin. Il y a un adage qui dit Seul je pars plus vite, mais ensemble, on part plus loin. Donc, il faut impliquer les femmes. Et pour répondre à la question, personnellement, quelle contribution toi tu peux amener personnellement D'accord. La contribution, je me dis que je prends entièrement part aux activités de ma commune. Ok. Si je me laisse faire c'est que je suis moi-même, je suis actrice de ma marginalisation. De ta marginalisation. Je suis, donc je dois, ah, m'imposer. Tant qu'il y a quelque chose et que je peux faire quelque chose, je pars, je passe directement à l'action. D'accord, je l'annonçais tout à l'heure, on attendait encore des invités, donc il y a notre dernière invitée sur cette fala qui vient juste d'arriver, Zainabou Mahaman. Mahaman Oui. Elle est du MPN Kishankasa précisément. Je suis présidente nationale des jeunes MPN Kishinkasa. Des jeunes femmes ou des jeunes Des jeunes. Des jeunes MPN oui, Kishinkasa. Oui, oui. On a du lourd sur cette fada. <laughs> On a vraiment du lourd. Donc tu as un peu cerné la thématique de cette mhm. fada. Je vais compter sur toi pour nous faire la conclusion. Donc à Ganinki, tu vas mhm. nous dire Yayane, Matasa, Yamata, Wane Irin, Taimoko Nisiki, Kawa Chicken, Chigaban, Al-Umatasu, Komada. inda ya kamata a ce an kama yanzu zan Olivier dama wannan shi Chers amis de la FADA, chers amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Ce soir dans la chronique, nous allons parler du foot. Eh bien, même si je ne suis pas un amoureux du foot, la mise en lumière de l'euro, plus que les compétitions de football sur le continent, m'interpelle et je pense que je ne suis pas d'ailleurs le seul. En juin 2021, la compétition européenne de football euro a fait de l'ombre aux autres compétitions de foot. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, on ne parle que de l'euro, au point où certaines retiennent plus les dates des compétitions européennes que la date d'une finale de la compétition de leur pays. Au Niger, par exemple, il est plus facile à certains de se rappeler d'une défaite de la France le 28 juin face à la Suisse lors de l'euro que d'un match de finale de la compétition nationale de foot du Niger. Eh bien, tout cela, c'est peut-être l'effet de la mondialisation, mais il faut aussi se dire que c'est le manque d'attractivité. Un constat. Au Niger, les championnats nationaux sont moins vendus et par conséquent les joueurs locaux moins connus. Cette situation, certainement pas facile à résoudre, empêche le football local de se développer et alimente la fuite des talents. Pour beaucoup de talents sportifs, il est plus facile de faire carrière hors du pays d'origine ou même hors du continent eh bien, le foot européen, ça fait rêver. Eh bien, ce rêve pousse euh, certains à la migration. On se souviendra du Guinéen Nabi Keita qui a signé à Liverpool en 2017 et est devenu le premier footballeur guinéen en finale de la Ligue des Champions. Un exploit pour le jeune de 22 ans. Amis de la FADA, nous allons clore cette chronique dans l'espoir que désormais nos championnats nationaux auront la visibilité nécessaire et que personne ne voudra plus voyager avant de vivre de sa passion, nécessairement sa passion pour le foot. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love. yanzu zainab yanzu kika iso basa kan fada zainab je rappelle que tu la présidente des jeunes du, du parti MPN kishin kasa yanzu ina so in san zainab a ganin ki magana ki ta karshe da zaki wanda suka wannan emission kin ya cika gani wace irin gudunmuwa ce kika gani iya mata suke iya kawowa cikin tahiyar da'irorin su cikin tahiyar al'ummar su kuma yaya ne ya kamata a ce an kama musu ina shin ki to eh, da sunana na president na jeunesse na kishin kasa cewa da batunmu na president ibrahim yakuba mhm. ni shawarar da gare ni saman jeunesse shine iya mata surtu iya mata su ta tsaye ga kansu su ji tsoro kama lisahin da mun kai mun gane kama har yanzu akwai saura akwai saura tun da dai in ka ce ya mace jan ta shiga ma politika aiki ne balle ma a ce ta ta zan kandidat don mene muke jin tsoro duk abin da maza ke muna iya yin shi mu abin daga ci jeune jeune surtout femme c'est le manque de financement parce que pour être engagé en politique il faut être eh, bien posé financièrement. Ça, il faut qu'on ait confiance en nous. Il faut qu'on ait plus Mais confiance. Mais si tu as confiance en toi, tu peux mobiliser la somme qui peut t'aider à la mobilisation. Ouais. Eh, quand je elle a tout dit. Vraiment, euh, mun gane ka matasa ɗiya mata su ma bai kamata ba a ce an bar su baya ya kamata a ce su ma an dama da su za mu yi ban kwana da kuma su kan wannan shirin na tusa alafara zan mu ce a huta lahiya kuma muna kara jinjina ma ɗiya mata wanda suke hitowa wanda suke tasowa mhm. su zo su shiga a dama da su cikin tafiya al'umma su kuma muna kiran hallo kingin su ma kas koma baya kenan zan ce sai mun ƙara haɗa fuskacin tusa lafada mai gabatarwa rabia mai kano